pendant 10 ans au moins 10 ans au moins Moi, valider validé Maxal Limdef. il a été le euh, il fait allusion à Ousmane Sonko et au régime de Maxal. mais entre Ousmane Sonko et le régime de Maxal, n'oublions pas que c'est Ali qui a organisé les élections contestées de 2019 contestées notamment par le même Ousmane Sonko et donc quand on sait même fait que Macky Sall Quand sàcc kan bras opérationnel Maxal, sinon le ministère de l'intérieur bi organiser les élections mm. donc Ali sa question il est un peu assis en deux chaises et c'est très difficile pour moi, en termes de communication et cela doit être clair dans sa tête clair dans la tête des Sénégalais votants mooy que ni une opposition à Macky Sall mënul une opposition à Macky Sall Je chercher une place dans l'opposition traditionnelle de ko li est et cohérent il est candidat c'est un candidat légitime il pouvait s'attendre à ce que Macky Sall le désigne comme le candidat de la coalition defu ko Babacar Gaye fi wax nañu ne ku am doolé wóolu sa doolé do xaar Macky Sall tan la da ngay démal sa bop né candidat nga Soko deful amna loy ci Macky Sall mais malgré tout lolu yeb dépassé nañ ko ñu def ko ministre en pleine campagne électorale bo a mo toute la euh, campagne agricole mo organisé toute la campagne mu bayiko fi pour ses ambitions ba paré ces mêmes sénégalais lay dem servir lolu meun nañ mais li li nga clair dans son discours en termes de communication moy Macky Sall a travaillé pour les sénégalais. Mm. sa vision parce que nak d'accord notre na vision Macky Sall mom il était très loquace et prolixe mais est ce qu'il ne voulait même pas que Macky Sall continue parce que lolu motax mu di fa Macky Sall mu kon choisir ma. je pense mais bokul ci ñi tek pression Macky Sall aucunement amna ñu nekkoon APR ñu ne Macky Sall mënul bokk ñen ñi dakh nañ leen ñen ñi tok nañ fa kon ne toog seen tok mm. mais mom bokul ci lool dafa don xaar Macky Sall Macky Sall ne bokul mom lim wara wax moy Macky Sall parce qu'il est d'accord sur la vision de Macky Sall il fait partie des ministres qui ont défendu le PSE lim wara wax moy Macky Sall gis-gisam ñoko bokkon pour le développement xëy na sax moom am na ci ay input mm-hmm. maintenant euh, lii ma d'accord lii nga xamante ne Macky Sall def na ko comme toute œuvre humaine parfaite, le rythme aurait pu être beaucoup plus soutenu la gouvernance vertueuse Macky l'état de notre démocratie économiquement donc mu er perfection imperfection y wax une orientation qui nous permet permettre euh, corriger l'eau parce que quand on parle de suivi évaluation d'un programme parce que le PSE c'est un programme qui va jusqu'en 2035 même Macky Sall qu'on normal chaque année voilà après chaque séquence nous def suivi évaluation réorientation Macky n'a pas l'heure le bonheur de le faire nous ñoo ko quand on a dit euh, Diao dans sa première sortie qu'il est incohérent j'ai dit non il n'est pas incohérent le PSE est corrigé parce que l'architecture, la architecture la ne mais mise en œuvre bi daf indil ne ah, quoi am ay corriger pour man discours bi parce que courage le courage c'est d'assumer li nga xamante ne def le gouvernement c'est une responsabilité collégiale ce n'est pas la responsabilité seule du Premier ministre, ce n'est pas la responsabilité seule du président. C'est une responsabilité collégiale. Moi, tax lii xew conseil des ministres ku que di se ci Sauf que la position du gouvernement da nga défendre Maintenant, un président boo il a amul courage d'assumer assumé est-ce qu'il peut être un bon président peut-être qu'il faut tout anticiper pour répondre à cette question mais man damay les sénégalais yi ak moom góorgóorloom ci parrainage mais man en tout cas à Ndiaye j'avais j'avais été le premier à soutenir sa candidature on a ken du guen mais ay ngui day cohérent mais l'homme me déçoit par rapport à sa posture depuis bobu à chaque fois qu'il fait une sortie je suis vraiment déçu d'accord euh,